ça se passe bien. super tranquille content d'être là. le séjour. super se déroule super ça se passe bien. Euh, ça fait quoi ça fait quoi 30 ans d'expérience musique ça fait quoi. 30 mm, ans d'expérience on peut l'appeler comme ça c'est en mm. commençant par euh, déjà le Sénégal et puis euh, avoir la chance d'être métissé aussi que ce soit sénégalais ou ivoirien à Guinée. Mm-hmm d'en profiter de ça, de tout ce patrimoine, et puis bah, aller bosser. Et puis bah, maintenant, bah, je reviens avec mes, euh, mes, petits cartons, mes petites valises, et puis mm. apporter ma petite touche. Euh, essayer d'ouvrir ce que je peux par rapport à notre musique qui, pour l'instant, je pense a besoin euh, de quelques couleurs mm-hmm. au sein de la musique. Un peu, pas se baser ça sur. Ça n'a pas dit qu'on manque de couleurs. Hein. Non, c'est une couleur plutôt euh, harmonique. Harmonique, c'est un peu de théorie. C'est pas méchant, en fin de compte, tout est là. Mhm. Mais c'est comme si c'était enfoui, parce qu'on bizarrement on travaille sur un, sur sur un seul côté, en du Sénégal. Donc qui est le côté Wolof, qui est le malard et sachant qu'il y a le côté tout couleur, il y a l'IELA, il, il y a, tout ce qui est de la Casamance, Mandagne, mm-hmm. bah, ayant bossé avec euh, que ce soit Toure Kunda, euh, Manu Dubango et tout ça, mm. bah, il y a mon côté sénégalais aussi, ça me titille un peu au cœur quand les gars me disent bah, chez vous c'est bien, à part le Mbalar, il n'y a rien. <laughs> Donc ça me fatigue un peu. Mm. Bizarrement, ils n'ont pas tort aussi. Ça fait que je fais toutes mes dates et je les ai faites pendant euh, quelques années. Euh, un accompagnant que ce soit Papa ou mba ou les autres. Mais côté sénégalais, à chaque mhm. fois je jouais, c'est pas des grosses scènes. Quoi. Des mhm. grosses scènes, ce que j'appelle, c'est faire une programmation, euh, un, truc qui est ouvert à tout le monde. D'accord. C'est pas une soirée sénégalaise qui est exportée. Quoi. Tu vois ce que je veux dire mhm. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on vient pousser les choses. Et Jean-Jeune Frère, qui lui est passé aussi, Hervé Sambe. Hervé, oui. Et que je tiens à vraiment remercier. Euh, que nous saluons euh, au passage, hein, parce qu'il était là pour nous euh, de son album Seranga. Voilà. jazz, ballard, voilà. faire la fusion. Oui. Mais les gens parlent du jazz, en fin de compte. Maintenant qu'on a eu la chance d'apprendre et pouvoir transcrire ce qu'on veut par mhm. rapport à la musique sénégalaise, des gens, chez nous, c'est ça. On travaille sur des rythmiques, les percussions sont ça. Mhm. Telle personne va jouer ça, que ce en partant du tongounais, au bong bong et tout ça. Quel est le rôle de chaque instrument, mhm soit la base c'est autre chose. Mhm. donc c'est ce qui fait que. gars ñu ngi laajte nak dégg nga olof wala déggu olof. maa ngi si dégg na olof ah Ignace Faxala moom duñ ko dégg naa olof dégg naa olof. bon bon dañu gars li tax ñi ñuy laajte nak dégg nga olof. c'est mm. c'est pour mun partager ak yow expérience bi. gëna a ah comprendre musique bi ngay def gëna a comprendre album bi. Euh, ci euh, ban couleur nga ko nar a donc loolu noonu yëpp dafa nekk loo xamante ne soxal na euh, sénégalais mais dañu bëggoon ñu démarrer tuuti rek ci Ceddo parce que xam nañu ne à un moment donné joué nga dans les groupes de quartier euh, de Dakar mais nous euh, gën la ragné le groupe Tiedo. Hein, donc l'expérience bien fait fa eu ba mais aussi nous dire euh, comment vous voyez ce groupe aujourd'hui Tiedo. Bah, c'est mon groupe de cœur. Hein. Donc, ce ce que je pense à moitié, je vais être le New York <laughs> voilà, quoi. C'est Bougon Bougonalen, Nalen Boug, Inch'Allah, toujours. Mm. Donc, mm. euh, le moment indi Nako D'ailleurs, je vais dans dans c'est un anniversaire, pour l'Olo donc on a eu à travailler ak loolu si anniversaire bi ma ñëwaat mois de novembre jouer novembre décembre ak ñoom mais damay ñëw pas pour ceddu maintenant parce que musicalement à un moment dafa mon choix bon dama bëgg a jouer musique euh, bu ma mën laal ñëpp donc euh, que ce soit sénégalais bi déjà bi ñu muy pulaar bi ñu fi nekk ñëpp euh, ivoirien bi ak keneen donc c'est mon choix là, donc opté pour dem jàngi et je veux naa gërëm kenn koo xam gis quelque temps cette année même avant muy gaañu. Mm. muy Habib. Habib ouais. qui reste euh, brassard d'or. absolument c'est frontières ils nous poussé c'est Sénégal nañ xam impact bi après. Mm-hmm. mais déjà moom moo indi base fii ñun ñu jël base de telle sorte ba génneewaat ko ñun. Mm. ku ci nekk ci ñun mu ñëw remercier ñu. d'accord man wane na ginnaaw Habib may joué benn mélodie laa def mu reetaan daal ne kii de Ignou donc rien que loolu reconnaissance su Habib. ñun daf ñuy may doole. Mm-hmm. donc euh, Habib loolu la doon xeex. parce que lu ñuy woowee Marimba Habib ak euh, euh, Adama Faye. Adama ñom ñoko indi mm-hmm. donc. mustafa mm-hmm. Faye travailler ko. ba ñëpp mën ci jot voilà donc mom déjà Habib mo ngi doon wax nañ bañu a ci Marimba bi rek quoi bizarrement dañuy ne public sénégalais loolu la bëgg. Hmm. saa yu togué toogee damay gis euh, misal mu mbedd bi. Hmm. man fa lay jangé dou mo ubbi ay bouquin. Hmm. damay ubbi sama bët di dox. boo jogué fi dox ba Medina dox. di xool chaque jour. say sénégalais dina ne nit moy garabam nit moy li et on va en reparler inshallah moy mooy sama album. nit ak yalla la way. d'accord accord nit ak nit. bu ñuy rien que moom loolu. mooy ëppale wu ma la dara. parce que dama ñak moy du dara. Et nit la ñu à la base. album bi yëpp ça s'appelle l'album s'appelle nit. Mhm, s'appelle nit nit la tudd. nit waaw ah, nit de moy nit mom moy mom moy garabu nit de. ah waaye léeg-léeg tamit ñu ne ñu wax safaan bi ñu ne nit moy safanu doomu adama bi. ah donc dañuy laaj euh, notre père expert en audiovisuel euh, comment vous avez euh, senti cette musique noko dégué appréciation bi nga ci am parce que xam nañu ne du musique bi ñuy tam di gis tous les jours en général mbalax bi la ñuy gëna a gis mais gis ngeen tey beneen mu indi benen sonorité ci walu musique mais ce que je me dis moi, euh, musique art la boo xam ne dafa war di évoluer hmm. cest Adi dire waruñu yam ci benn catégorie musique benn façon musique boo xam ne yaakaar nañu ñun rek ko moom ñun rek ko bokk ñu yam ci hmm. musique dafa am ouverture moom moo tax xam naa ñuy wax musique yoo xam ne foo dem ci àddina bi boo ko déggee hmm. mu neex la mu neex ci sa xol yooyu musique nag waruñu ko di importer rek ñun suñu bopp war nañ ko mën a di defar di ko yónnee feneen moo gën ñu yem cantonné wu ci li nga xam ne ñoo ko moom muy mbalax mi mm-hmm. ndax mbalax mi ay la yeween boo génnee Sénégal mm. bitim réew boo fa gisee koy déglu boo xoolee ba xool sénégalais lay noonu du nekk leneen sénégalais la mm. te même bu ñu jógee fii di dem à l'international euh, mbalax bi duñ ko euh, fësal bu baax ah dañuy wàññi percu bu baax wàññi mari mbaa bi euh, jéem a créer benn musique classique boo ko dee seet boo ko dee seetlu sax ca yàgg yàgg voyagé taseeg ñoom mm. da ngay gis ni suñu groupe mbalax yi bu ñu demee fenn ña leen di seen tournée yi ñiy seetaan si ay Sénégal lañu. Mm, mm. bu ci rax. bu c'est bu c'est tout à fait absolument c'est l'inverse en mm-hmm. fait. il faudrait aussi que nous nous parce que catégorisation musique yi dafa bare ci mm-hmm. Afrique. nous mm-hmm. bu ñuy dañoo suñu nous rek ni mbalax la am am yeneen façon musique. boo xolal xolal boko ba ko da nga euh, euh, comme musique jamaïcain reggae la.